No sommes mardi 25 avril 2023. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonjour. Vous l'aurez certainement compris, chers auditeurs, il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu À la présentation, c'est le duo Ali Moukaila Ouseni alias Seno 50% et moi-même Fanta Chamsou. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien Fanta et toi, ça va Ça va, Alhamdulillah Seno. Super. Alors dis-moi, on a quoi au menu ce matin Comme d'hab, nous commençons avec euh, le flash d'informations pour entamer la journée. Une bonne dose de musique nigérienne 100% hip-hop Mad in Niger sera servie. Il y aura le loti avec les chroniqueuse du studio Kalangu, la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour, Sariou Adam, et également de la culture linguistique avec notre collègue Asumana China qui viendra nous expliquer le mot du jour en français et en Hausa. Et toujours dans notre programme de ce matin, dans la rubrique Entretien, nous serons avec Laoli Moussa, le maire de Tessawa, pour parler de la gestion de collectivité. Et un tour à Douti, dans la région de Dosso, pour parler du commerce des femmes dans un endroit que vous allez découvrir avec nous dans cette émission. Et enfin, nous allons clore cette édition avec les messages focaux de nos auditeurs. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons le Niger sur Klangou avec le flash d'information comme annoncé et c'est avec Nafissa Adamou Sirfo. Nafissa, bonjour. Bonjour Ali, Bonjour Fanta. Bonjour Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. C'est sur ce thème qu'est célébré ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Un peu plus de 4 millions de cas confirmés, dont près de 5000 décès ont été enregistrés au Niger en 2021, a indiqué le ministre de la Santé publique. Ainsi, dans la lutte contre cette maladie, le Niger compte organiser une campagne de lutte anti-larvaire et la pulvérisation extra-domiciliaire d'insecticides. La Cour des comptes a présenté en fin de semaine son rapport général public à 2021. Ce document de deux parties met l'accent sur la gestion de l'ensemble des structures et personnalités assujetties au contrôle de la Cour, rapporte à Actu Niger. Plusieurs manquements et défaillances ont été relevés dans ce rapport, ainsi que la résistance de certaines personnalités à se soumettre aux lois et règlements en vigueur en matière de déclaration de biens. Enfin, à l'international, la situation sécuritaire reste toujours tendue au Soudan. Les Nations Unies ont annoncé hier lundi que le bilan du conflit qui sévit au Soudan depuis le 15 avril fait état de 427 morts et plus de 3000 blessés. Les ressortissants de plusieurs pays s'inquiètent de leur sort. Dans nos prochaines éditions d'information, vous entendrez la situation des étudiants nigériens au Soudan. Merci euh, infiniment, Nefissa, pour euh, toutes ces informations. On se dit à bientôt. Et comme nous l'avions annoncé au début de cette émission, c'est Laweli Moussa, le maire de Tessawa, qui a accordé une interview à Asman Aboubakar pour expliquer comment les taxes et impôts sont mobilisés dans cette localité. Mais avant, chers auditeurs, écoutons d'abord euh, notre premier morceau hein, dans notre playlist d'aujourd'hui et on commence fort avec euh, l'artiste Ismoan. Oh, ah, oh. Bébé, t'as les rythmes dans le sang. Quand tu danses, c'est trop émouvant. Attends ma musique mes compliments. Balance-toi comme tu le sens. Amène-toi près de moi. Cette belle mélodie est pour toi. Amuse-toi, dinguement. Baby, je suis là pour toi. Nous ne sommes pas là pour faire du baratin. Baby, je ne t'oublie pas. Non, non, non, non, même pas. Dis-moi tout ce que tu veux. Et je le ferai pour toi. Let's not be Et eh oui, chers auditeurs, vous venez d'écouter Dance All Night, le titre de cette belle chanson chantée par l'artiste One, de son vrai nom Ismaël Diallo. Ismowan est l'un des artistes en vie au Niger. Auteur-compositeur, il présente une voix incontestée de la musique nigérienne, de sa nouvelle génération bien sûr. Dans les fadas et les clubs des quartiers de Niamey, comme sur les ondes, ses œuvres musicales font fureur nous. il est basé aux États-Unis depuis plus de 7 ans. Ismoan vient régulièrement à Niamey pour se ressourcer car il est trop attaché à la culture nigérienne. Il chante en français, en anglais et aussi en full day Ses chansons sont à l'image de son état d'esprit. Apaisé, n'est-ce pas, nous Tout à fait, Fanta. Personnellement, je le connais, il est très modeste. Après cette euh, consommation musicale, chers auditeurs et auditrices, il est l'heure pour nous d'écouter l'entretien du maire de Tessawa. Oui, c'est nous. Le département de Tessawa est situé dans la région de Maradi. Le chef-lieu du département est composé d'une commune urbaine et des communes rurales de Baudeta, Hawandawaki, Kona, Orgom, Mejirki et Ourafan. Loli Moussa, maire de Tessawa, explique comment, euh, comment se fait la mobilisation des taxes et impôts dans cette commune. On l'écoute. La commune urbaine de Tissa, c'est une commune euh, qui est dans euh, la région de Maradi. C'est une euh, commune urbaine qui a environ 250 000 habitants. Nous avons un budget ordinaire qui est de l'ordre de 350 millions, tandis que notre budget d'investissement s'est à à peu près de 450 millions. Et chaque fois, si on élabore le budget, nous, à savoir moi et mes deux adjoints, nous sommes quand même les instances d'exécution du budget, en dehors des instances de délibération qui constituent l'exécutif et la délibération qui constitue quand même les organes euh, de pilotage de, euh, collectivité. Donc les habitants et la population de Tessa payent les impôts régulièrement. Les ressources de collectivité, il y a ce qu'on appelle les ressources transférées, c'est-à-dire un certain nombre de taxes que l'État collecte. Ce sont euh, les patentes synthétiques il y a encore tout ce qui a comme euh, les taxes immobilières, il y a un certain nombre de ressources que lui-même, l'État prélève. Et dans ce prélèvement, nous, les collectivités, nous avons 40 eh, à 50 Mais il y a encore d'autres ressources que eh, l'État nous a donné la possibilité de collecter auprès de la population. C'est notamment la taxe municipale, la taxe de voirie, eh, l'impôt sur euh, la publicité extérieure, il y a tout ce qui a, y a, et même la mairie, on peut initier des impôts. Deux messieurs, lorsque j'étais venu, euh, du point de vue taxe municipale, vraiment, euh, les gens ne payaient pas. Mais cette année, il y a eu quand même un déclic, il y a eu assez d'efforts. Les gens, ils ont compris. Parce que euh, ce que les gens disaient que, ils ont l'habitude de dire qu'ils n'ont pas vu où est-ce qu'on met les ressources. Et effectivement, ils avaient raison. Parce que euh, pour convaincre les gens, il faut leur montrer de quoi vous êtes capable. De la même façon que l'État, au niveau central, peut changer le, euh, quotidien de la population, et même la collectivité, à savoir, la, elle peut changer le quotidien euh, des citoyens. c'est pourquoi donc, du point de vue, je vous ai dit que les impôts l'impôt et le budget ordinaire, il y a ce qu'on appelle les budgets d'investissement. Mais les budgets d'investissement, c'est ça que la population doit voir. Dieu merci, on était venu, on a commencé à faire beaucoup de choses. Les gens ont commencé à avoir le concret. Et c'est le concret là qui permet, à chaque fois, si on dit aux gens de donner leurs impôts. Aujourd'hui, Tessa est en train de se doter d'une route qui va la relier à la frontière du Nigeria. Qu'est-ce que cette route peut amener comme changement dans la vie quotidienne de la population de Tessawa Depuis quand même ce gouvernement-là, ou même ce régime, Tessawa fait partie de localités où on a été très bien servi. Vous souviendrez avec euh, les fêtes tournantes au niveau de région. Nous ici, on a eu à faire ce qu'on appelle Tessawa euh, Walikia où quand vous voyez au niveau de, de la ville, il y a eu beaucoup d'infrastructures. Et ces infrastructures-là, une partie, c'est la voirie de cette route-là, mais tessa sa frontière, frontière Nigeria. C'est quand même une route capitale. Parce que eh, Tessawa, les gens, ils font du commerce. Et la plupart, le commerce avec le Nigeria, notre grand voisin Nigeria. Que ce soit dans les essences où les gens ça amènent les produits à agro parce au niveau du Nigeria, ou même ils acheminent les produits finis à partir du Nigeria pour remonter jusqu'à Agadez. Quand vous allez partir sur le Nigeria, si vous allez passer par Taketa, vous allez faire 140 kg pour rejoindre la frontière. Or ici, en prenant cette route-là, vous allez faire 70 kg. Donc vous conviendrez avec moi les gains et la facilité avec laquelle les échanges vont se développer. Je voulais vraiment remercier le gouvernement pour cette route-là. On a l'habitude de dire quand même, le développement commence par la route. Vous ne pouvez pas vous développer tant que vous n'avez pas les infrastructures routières. Et cette route, elle est d'une importance capitale pour notre localité. Déjà, déjà, gens, euh, l'entrepreneur a commencé. Il est en train de faire les traçons ici, Tessawa, frontière Nigeria. Et c'est ça qui est important. Après, ils vont faire les traçons euh, Tessawa, Mei. C'est que sur euh, cette route, on va accroître l'économie locale. Avant de continuer avec euh, l'entretien du maire, nous allons souffler en musique, cette fois-ci avec euh, le son du groupe Dix démocrates. C'est parti le sang. Pour ma clique à 10 ans, pété quand ouais. Pour mes négros du rap pur du 1. Comme dit ghetto, que mon corps va, Détaché de l'underground avec Inansa. Merci, j'ai donné qu'on la du bon. Aujourd'hui, c'est la teuf. Tout le monde doit s'enjailler force. Pataquine, paresse, goal et mets le show à fond, sors tes nesses et bouge avec le beat, entouré de tes bouches et me prenez pour Jackson, le secret de la danse, par route, fais tomber les max, elle s'est zégragano, compé, c'est wono, les go sauter les tricots, les côtés carré wancho, j'attaqueille, et mbaka j'habita, J'attaque. Bouge comme ça, non, non, non, non, non, bouge comme ça, baby écoute ça, bouge comme ça, c'est sous la bouge comme ça. à la fontaine de mon quartier. Je médite en solo, pas le petit qui de l'eau. Flex est un flipper, un de de une balle. Passer du fait bengal à Cap Canaveral, à tous mes pères et mères à tout me faire et sœurs sous la terre mère. Protège nos arrières, la vie est éphémère. Je vis dans une poussière, je vis dans une fournaise. Oui, je vis à ma manière. Depuis les moments passés, classés, là c'est mon avenir hypothéqué par la pauvreté de l'impur. Au fur et à mesure, à coup sûr, la déchet s'accélère pour nous autres les sarcasmes. Mais trois cas, c'est quoi que l'on fasse, les fâches, se casse l'autre fâche. Je suis le big du top, robocop, oh, qui t'es pas ta t'es fait la bac. Bouge comme ça, non, non, non, non, non, bouge comme ça, baby, comme ça. Bouge comme c'est la teuf. C'est du whisky au coca. Bouge comme Non, non, non, non, non. Baby, écoute ça. Bouge comme ça. Ce soir, c'est la teuf. Bouge comme ça. C'est du whisky au got no can't delay no got nyango oh. on gaza one nigga ah. bouge comme ça bouge comme auparavant oublie tout ceci prends la vie du bon côté démocrate pas le fait ça va faire bouger écoute-moi ça Écoute-moi ça, je pour la minorité. Écoute-moi ça, je pour l'humanité. Bouge comme ça. Non, non, non, non, Bouge comme ça. Baby, écoute ça. Bouge comme ça. C'est soit c'est la Bouge comme ça. C'est push, comme ça. Bouge comme ça, c'était le titre que vous venez de savourer, cher auditeur. Ce morceau produit euh, par le feu Fanflex en featuring avec la formation 10 démocrates, un groupe de rap euh, composé de deux jeunes rappeurs nigériens dont l'un est le petit frère biologique euh, du feu Fanflex peu, Fanflex fut l'un des grands animateurs radio et télé du mouvement hip-hop au Niger. Il était le promoteur incontournable de tous les rappeurs nigériens. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ont eu la chance de voir leur single diffusé pour la première fois grâce à ses émissions télé et radio. Celles-ci ont d'ailleurs celles-ci ont d'ailleurs toujours fait partie des plus suivies par le jeune et on dira paix à son âme. Paix à son âme. L'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit, chers auditeurs, avec l'entretien du maire de Tessawa, Laoli Moussa, qui cette fois-ci évoque la gestion de l'hygiène et l'assainissement dans sa commune et les dispositions prises pour prévenir d'éventuelles inondations dans la commune urbaine de Tessawa. Il est au micro de Asman Aboubakar. La commune urbaine de Tessawa fait face à un sérieux problème d'hygiène et d'assainissement. Quelles sont les dispositions prises à cet effet L'assainissement constitue euh, le mot de toutes les collectivités. Les gens ne comprennent pas que jeunes fait partie quand même de notre religion. Si vous voulez être en bonne santé, il faudrait manger du sain, alimentation propre, votre environnement propre. Si vous faites ça là, vous allez voir que vous serez à l'abri de certaines maladies. 10 Tissawa, nous avons une vingtaine de mares et que ces mares-là, chaque euh, saison de pluie, ils se remplissent de eau. Et cela veut dire qu'il y a de la moustique. Si vous faites le tour au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, vous allez voir beaucoup d'enfants beaucoup de, femmes enceintes. C'est-à-dire le palu attaque plus les enfants et les femmes, notamment les femmes enceintes. Je voudrais quand même dire à la population de Tizawa qu'on doit garder notre environnement propre au niveau des ordures solides et au niveau des ordures liquides. Ce n'est pas bon que quelqu'un, à partir de sa douche, l'eau sort sur le goudron ou sur les infrastructures. Ces infrastructures-là, on les avait faites avec beaucoup de moyens. Donc on doit préserver ça. J'appelle la population de Tissawa à quand même avoir un comportement de préservation de ces infrastructures. Et de toute façon, nous allons mettre en place un mécanisme au niveau du quartier pour quand même lutter contre ce problème d'assainissement que connaissent euh, la ville de Tissawa. En 2022, le département de Tissawa a enregistré plusieurs sinistrés et des dégâts matériels suite aux fortes précipitations. Quelles sont les mesures prises pour prévenir les inondations cette année L'État dans sa politique de préservation, de prévention de ces inondations, nous avons eu le financement depuis Durham. Il s'agit en partie de prévenir ces inondations à travers les travaux des caniveaux, des pavés, tout ce qui peut faciliter le coulement des eaux de ruissellement. Toutes les marques qui peuvent être remblées, ils seront remblées Très bientôt, cette année, dans le PTBA de ce projet-là, on a inscrit une étude dans laquelle on va savoir quels sont les voisin hein, pour qu'on puisse réunir ces eaux-là pour les asséminer vers d'eau, le long de Goulbon-Kabala. Et là-bas, on va faire une retenue pour que ces eaux-là, au lieu d'être un problème pour la population, c'est là quand même une opportunité pour que ça serve de culture de contre-saison. Inch'Allah, euh, avec ce projet-là, nous avons eu euh, un financement, comme je disais, de l'ordre de 8 milliards sur 6 ans. On va utiliser ce montant-là pour régler tout le problème d'assainissement, et tout le problème d'inondation de la ville de Tissan. Aujourd'hui, Presque toutes les communes du Niger sont confrontées au chômage des jeunes. Avez-vous pensé à des mécanismes qui consistent à occuper ces jeunes Oui, effectivement, le chômage des jeunes quand fait partie du problèmes de, quotidien de collectivité et même de l'État au niveau central. C'est pourquoi l'État, dans sa politique euh, d'enseignement professionnel, il a renforcé l'enseignement professionnel, qui aujourd'hui constitue quand même 40% de l'éducation du Niger. Ici à CETA, nous avons créé le CET, l'État a créé le CIT, il y a encore le CFPM. Les CFM, c'est-à-dire, ce sont des enfants qui devront rentrer en classe de 6e, mais si à la suite des orientations, certains partent au niveau du CIG, certains partent au niveau du, du Mais les enfants qui n'arrivent pas à avoir, à être orientés au CET ou bien au niveau du, du, du on les oriente au niveau du CFM. Et là-bas, on les donne du métier. Ils sortent avec un métier, un an, deux ans, on les enseigne la plomberie, on les enseigne euh, la métallurgie. Euh, il y a beaucoup de, métiers qu'on apprend. Et nous sommes en train de faire avec même euh, les ONG, dont je voudrais ici vraiment féliciter. Il y a vraiment un certain nombre de zones qui sont en train de nous aider pour que ces enfants-là, ou cette jeunesse-là, de puissent avoir de quoi faire. Parce que ce n'est pas que les potentialités n'existent pas, les potentialités existent que ce soit dans le domaine de l'agriculture, notamment la transformation de nos produits agro niveau, et que ce soit au niveau du, petit métier. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la plupart des gens ils préfèrent aller au Niger pour faire de, la couture. Mais pourquoi les gens ici ne peuvent pas créer les conditions pour quand même avoir ce marché-là C'est très simple. Il y a encore euh, la métallique, que ce soit ménager bois ou ménager métallique. La plupart des gens, ils préfèrent aller au Nigeria. Donc on peut créer ces conditions pour que ces marchés-là qui, chaque fois, qui partent vers les pour faire ce genre de choses, qu'on puisse produire quand même ces choses-là ici. C'est faisable. Donc c'est vraiment eh, un challenge qu'on est en train de faire. Eh, L'État est en train de faire, les ONG, la mairie. Nous sommes quand même parce que il faut, il faut pas oublier que ce sont ces jeunes-là qui, aujourd'hui, eh, n'ont pas un métier, dans le chemin, ils sont facilement euh, les organisations terroristes peuvent les récupérer pour faire du recrutement au sein de cette, euh, de ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est pourquoi l'État, la mairie et les ONG, nous sommes en train d'occuper cette jeunesse. On a l'habitude de dire que si euh, si ne vous occupez pas de la jeunesse, la jeunesse, elle va s'occuper de vous. Donc, on va éviter tout cela. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est la rubrique hebdomadaire santé que nous vous proposons. Oui, c'est nous et nous allons parler gériatrie, c'est-à-dire la santé des personnes âgées. Les personnes du troisième âge ou personnes âgées sont vulnérables à certaines maladies qui, selon les médecins, sont liées à leur âge. Pour en savoir plus, nous vous proposons d'écouter Dr Isaka Adam Mourachid dans des propos recueillis au téléphone par Gungu Mahaman Anthony. Docteur, au Niger, quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées Le plus souvent, c'est les maladies métaboliques. Entre autres, pouvons citer l'hypertension artérielle, le, diabète. Il y a aussi les maladies inflammatoires et donc qui touchent le squelette. Donc, on peut citer aussi l'arthrose, les principales maladies qui touchent les, personnes âgées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les personnes âgées Donc, euh, en ce qui concerne les, maladies métaboliques, euh, comme je le disais tantôt, l'hypertension artérielle et le diabète, c'est avant tout les règles hygiéniques diététique. Donc, euh, être discipliné dans, le, dans ce que la personne mange, éviter les, les aliments pouvant causer ces, ces, deux maladies, à savoir le diabète et l'hypertension artérielle. En ce qui concerne le, le diabète, c'est contrôler ou bien diminuer sa consommation en sucre. Et en ce qui concerne l'hypertension artérielle, c'est éviter les bouillons qu'on utilise pour la cuisine, ce qu'on appelle communément les arômes. Et aussi pratiquer le sport, minimum 30 minutes euh, deux fois par semaine. Oui. Alors donc, euh, comme on parle de personnes âgées, à quel âge on peut situer ces personnes âgées Les personnes du troisième âge, donc là, c'est au-delà de 45 ans. Les personnes qui sont à moins de 45 ans peuvent attraper aussi ces maladies Tout à fait. Pour le diabète et l'hypertension artérielle, déjà pour le diabète, il y a deux sortes de diabète. Donc il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, c'est le diabète des personnes âgées. Alors que le diabète de type 1, c'est ça le diabète euh, juvénile, le diabète des, plus jeunes. Donc euh, le fait d'être jeune ne nous épargne pas de, de contracter que ce soit le diabète ou bien l'hypertension artérielle ce qui concerne l'hypertension artérielle, il y a des hypertensions artérielles malignes donc euh, qui peuvent euh, attraper même les plus les plus petits, donc les enfants de bas âge. Merci euh, Gungo pour cette interview. maintenant, je vous laisse kiffer ce titre Gonga du groupe Tchakei qui signifie le tisserand.

hansikaaru almane sinna suuru bakkanne dayga molsooni kanso dooga haaru nde indunye saaru babal doogen saatu ni mooga tayi gubbu ni gakkurooga fottu baabi saybi naanu igawal amma igawal igawal igawal amma ce ko in ce mu mace mu amince da Allah guda ne shi kum yayi mutane ya ce kare mu takule malami ya hankure ya saki mana wa'azi kamar yan almajirai wani yayi da awusa ja son kai kar alkusai ko kai ga duga fonne yara mil fonde kulba ga duga fonde wane yanyai da hanna bere u fongu sanni kane kayan gerwa yanje sabka sine wapa kai lakal kanai da bere an dunya ko ganja ima ci bongo dawai lalai ko kowa ke sata mutuwa a takowa mutuna ta ta yan uwa ba mu kau da rasuwa na wajitan karya kyama ta iso kusa haram ta halaliya mu iske sun sha mu kuso mu shirya mu bar sake juna mu gane zaman duniya shi a koyon Gonga ou Vérité, c'est le titre de cette chanson produite par le groupe Tchakei en 2003. Ce groupe n'est plus actif aujourd'hui, mais quand même, les mélomanes continuent d'écouter les anciennes productions de Tchakei. Tchakei a fait sa première apparition à la troisième édition du concours de rap dénommé Rap Attitude, où il décroche la troisième place. Effectivement, nous. le groupe a multiplié ensuite les participations à des concerts tant à Niamey, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Le 12 juillet 2003, le groupe sort son premier album intitulé Gonga au centre de formation et de promotion musicale CFPM. Et en 2005, il enregistre un second, un second album titré Cri de cœur. Et c'est avec cet album que le groupe prend son recul du monde musical. Exactement, Fanta. À présent, direction Dosso, où nous serons à Dogondouti. Oui, c'est nous et à Douti. Les femmes profitent du paiement des pécules au niveau de l'opérateur public en charge du paiement. Elles exposent leurs, leurs marchandises sur place. Pour plus de détails, suivant ce reportage de Hassan Abdou Arzika. Les femmes participent activement au développement économique de notre pays et ceci principalement dans le domaine du commerce. Cependant, c'est à travers les AGR, activités génératrices de revenus, que les femmes tirent souvent leur profit. En effet, à Dogondouti, les femmes ne font pas exception à cette règle car on peut les voir étaler leurs articles au sein de l'institution financière Niger Post lors des paiements des salaires des agents contractuels de l'éducation et de la santé. Il faut donc noter que ces braves femmes vendent divers articles allant du vestimentaire au cosmétique en passant par les condiments et les ustensiles de ménage. Du cash au crédit, ces femmes commerçantes ne se plaignent pas trop car elles s'y retrouvent vraiment, comme nous confirme respectivement Mme Jemila, vendeuse de condiments, et Mme Hassia, vendeuse de chaussures. Kare biya da Nijar Post ta karo ya lokacin na ah, ah, mushanni ba su zakkuwa. Kaga kuka ina kuka sana'a ko bari kuka sai kuma in za a biya kun ku dawo. Ba mu bari muna yi cikin gambi saura na ɗauka su ta cikin gambi su talla saura ko suna ɗauka su ta kasuwa. Kuna ba su bashi? A'a mu dai ba mu ba da bashi. Ils et au receveur dans dira plus sur les plaintes dues au crédit. Et souvent, ces commerçants pour, venir nous voir. Et très malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour eux. Parce qu'on n'est pas autorisé à prendre le pécule de quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre. Les AGR développent une société surtout quand les femmes s'y intéressent. Ces dernières ne devraient pas rester sans activité génératrice de revenus, comme le notifie Hajia Kandi, la toute nouvelle déléguée des femmes commerçantes de Niger Post à Dogonduchi qui lance un appel à ses consoeurs pour être à l'abri d'une dépendance totale. Un très beau reportage signé Hassan Abdou Arzika qui est d'ailleurs en ligne avec nous dans cette émission. Bonjour Hassan. Bonjour Santa. J'espère que vous allez bien depuis Douti. Oui, on se porte très bien ici à Douti. Super, je suis aussi avec Seno. Il veut te dire bonjour. <laughs> Bonjour Hassan. Bonjour Monsieur Vous allez bien Ah toi, on va très bien ici à Et vous Ouais, ça va, alhamdulillah. <laughs> D'accord. Donc euh, nous venons d'écouter votre reportage sur les agères des femmes, périodiques, hein, je dirais. Oui, oui, effectivement. Si j'ai bien compris, ce sont des agères qui se font d'habitude en ville, mais qui se délocalisent vers les endroits où se font les paiements des pécules. Effectivement, surtout, principalement, c'est au niveau de l'institution financière Niger Post, mhm. Mhm. qui, c'est mensuellement, donc les pécules sont payées. Mhm. Et ces dames-là, elles accourent, elles viennent, elles apportent leurs euh, articles qu'elles euh, exposent. C'est un véritable marché, c'est un véritable foire. Ah. comment on appelle ça, qui se passe là-bas, à Niger Post, pendant la période du paiement. Et cette période, elle peut prendre de temps, une semaine. Hein. Ok. J'imagine l'ambiance. Mais dites-nous, est-ce que ces femmes, elles s'en sortent plus pendant ou après ces périodes Effectivement, c'est ce que je les ai demandé à certaines qui, après la période, euh, elles circulent dans, le, dans, la ville mm. ou bien elles restent à la maison pour que les trucs euh, le plus gros, comment on appelle ça, euh, la tendance, elle est vraiment, vraiment, c'est quand Niger post-pays qu'elles deviennent vraiment des commerçantes parce qu'après cette période-là, elles n'ont pas de clients. Hmm. Alors, euh, Hassan, dites-nous euh, concrètement, est-ce que vous avez une idée de du chiffre d'affaires journalière de, de, ces femmes Oui, le chiffre d'affaires journalière des femmes, ça dépend des articles qu'elles vendent. Et ça dépend aussi de la période. Par exemple, quand c'est à l'approche de la, de la fête, par mm. exemple, celles qui vendent les condiments, les vêtements, mm. les articles de ménage, elles ont plus de clients mm. que celles qui vendent, par exemple, les euh, le cosmétique ou, par exemple, les balais. Mais quand même, elles s'y retrouvent parce que... Chacune avec sa tendance, en fait. Oui, euh, la plupart des, des, des, qui viennent euh, prendre leur véhicule là-bas, elles contractent du crédit avec des, ces femmes-là. Mhm. OK. Donc, c'est au retour du second véhicule qu'elles remboursent. Ah, donc, euh, vraiment, tu retrouves les dames. Ok. Est-ce que c'est des crédits avec intérêt Genre, si le prix est à 1000 francs, quand tu prends crédit, peut-être tu payes 1250 ou 1500 <laughs> non, non, non, ce n'est pas intérêt parce que je les ai demandés. Elles vendent euh, du cash au crédit, c'est les mêmes prix. Quoi. Super. Merci beaucoup, Hassan. D'accord, Fanta et merci beaucoup, Studio Kalangou. On vous espère à bientôt dans notre émission. <laughs> Inch'Allah. Excellente journée. <laughs> Merci à vous aussi. Chers auditeurs, euh, place au sport à présent avec euh, notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit bien de Sari ou Adam. Sariou, bonjour. Bonjour Seno. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, ça va ça va, alors nous ouvrons cette page sport avec un mot d'athlétisme, n'est-ce pas Oui, la sprinteuse nigérienne Hamsatou Burema, championne du 100 mètres et des 100 mètres, représentera le Niger au championnat d'Afrique prévu du 29 au 3 mai 2023 et elle sera dans la catégorie des moins de 18 et 20 ans en Zambie. Après ce mot hein, d'athlétisme, passons à présent au foot, au football, où euh, il s'est joué, autant pour moi, les matchs allés de la Ligue des champions, n'est-ce pas, africain. Oui, c'est nous, en effet, énorme sensation lors de ces quarts de finale allés de la Ligue des champions, avec la défaite du champion en titre, le Widat Casablanca en Tanzanie, face au Simba SC. Le club tanzanien s'est imposé sur le score de 1 but à 0. Pour rappel, le club marocain a remporté trois fois la Ligue des Champions et compte trois et cinq finales jouées. Et Adam, pour l'espérance de Tunis, la tâche s'annonce moins compliquée pour le retour. Oui, Fanta, parce que le club tunisien s'est imposé sur le score de 1 but à 0 sur la pelouse de jeunesse sportive de Kabylie d'Alger. les Sud-Africains de Mamelody Sundowns ont battu le Shabab Belouizdad d'Alger sur le score de 4 buts à 1 dans le dernier quart de finale, Al-Ali, mal en point lors des matchs de poule, avec une qualification lors de la dernière journée, s'est offert le Raja Casablanca sur le score de 2 buts à 0. Les matchs retour se joueront les 28 et 29 avril prochains. Eh bien, c'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup, Adam. Plaisir de vous retrouver pour euh, un autre numéro. Merci. Plaisir partagé. <laughs> c'est nous. À présent, on passe au portrait. Dis-moi qui est la star du jour. Fanta, le portrait euh, d'aujourd'hui nous amène à la rencontre de Ibrahim Souley, connu sous le sobriquet de Baré. Il est un jeune mécanicien âgé de 26 ans qui s'est démarqué euh, des autres à Tilaberi. Et c'est à travers ses euh, innovations qui ont fait de lui la référence dans la ville. Il est beaucoup sollicité à Tilaberi. À suivre son reportage avec notre correspondant Abdul Aziz Hassoumi. ibrahim sulayi kan igabayin da bare mantika la furta ginu kan ga popor hanse gwanda giri waranka kindi iddu a higi agonda izihinka ninga kamba goyo do feri nan kan aga popor hanse nda goy kul kanga nan madunga wana kamba zibo wai dinno a go popor hansa kaira kan igade da tilberi wana kwarara aite iskai yi gidan kwai popor ga barego gidiya go gubori kalhino ikande a daidaita a gidan yiga diya boriyan kalhino moti seze ga mbo a gidan iska yi yi talami se lamgoino kan ayin dondon za a yi zanka ay popor hanse ay gumonte ay ga hanse a daidaita ya hay kulkan no ay hingate ibrahim sulai zanka gi a hakkuno go abande kan yon goga kan bagohi dondon ane kan wokan nga toga ba nga gati nga madi hunkona yi wok iminga wana kan bagoye do feri bor hakkuno go no kinde go go charban igwani popor hansiyan igwana daidaita hansiyan igi hingumonte hay kulkan ay gihingite bombay igi hingate kadde son ta yanŋode no iskayo do hare kambo imanduwa bando gina dam goyo sirno dam to nan kan bara ka kai d'i mat kan ta yanŋo dum yanŋo giteda ane kan inga dinga wana bormanai muradai inga wana rano inga gogi feri wai nemo amanti kalanga se bon durano goyora wallahi ai gogi du nafa ai higi ai hai ai goga ah, bahunai hannate kan ai tunkulu ai gingite za ai gisan bubun bodano imdese ginegi kakali na waino koye bonse borai mo igogi cabai se kan walla igoye kan ai tenge te mai kani danga kan ba teri kulu ibrahim sulai inga mu agwanda sandai yankan agoga di inga wana kan ba goyora jine gine dai no tai sanda mun kuna garajo do hare kambo kile yango kan ai gbarai amma sindi hina kan gudoi na hare mo kwaye da wango do hare tayango mashin yango kan ai gba halka sun hina ai hina aninga ceyan tonan di ga ti niger wana furta yeido wana wana tiliberi ganda wani kanyan na lakal kane janga te kobai aigi ke ko jene ga kambugo terei bura kul muhur goyora manti cew ko hinno te hankanga gaba kambugo teru bo dungo goy ni gogoy da adil tarai nigi hingi te hankan cew ko gogite Merci beaucoup abdulaziz Hassoumi pour ces portrait très inspirant. C'est nous à présent, je te propose de servir à nos auditeurs la dernière musique de notre playlist. Avec plaisir, Fanta. Chers auditeurs, écoutons ensemble le titre Talaka de l'artiste Bilal Kate. avec cette civilisation du confort qui crée la paupérisation malgré nos efforts. Tous ces pauvres gens qui cherchent un peu de reconfort se heurtent la thésaurisation des plus forts. Oh my god, y a plus de tolérance. Oh my lord, y a trop de souffrance. à l'égoïsme. Ça unite, on frappe face au capitalisme. Séisme, menace l'humanisme. Almighty, chasse nous cet individualisme. La course aux richesses nous distrait. Et le sens de la vie plongé dans l'abstrait. Come on! Talaka, qui veut dire euh, pauvre en langue Hausa et Jarman, est le titre de ce morceau chanté hein, par Bilal Ket qui décrit les situations rocambolesques que vivent les pauvres du monde qui vivent dans une pauvreté extrême. Des situations qui conduisent suivant, suivant, euh, souvent, autant pour moi, je vais y arriver. Ah <laughs> Souvent, c'est nous. Souvent, c'est pauvre à un mort prématuré. À une mort prématurée. Voilà, à une mort prématurée. <laughs> voilà. Alors, c'était là le dernier morceau de notre playlist. Passons à présent au loti euh, du desk femme du studio Kalangu. Oui, c'est nous aujourd'hui pour prendre soin de notre corps. Les chroniqueuses du studio Kalangu nous apportent quelques astuces pour sentir, pour sentir bon tout au long de la journée. Écoutons Rafika Attaher et Rukaitu Abdraman. Lottie, Lottie, Lottie, Lotsi. Siba murayang. Siba murayang. ni bai kan way bafunan bori kadda ga hamsa kwaniya ni bai wala no ka ir mai ga furun da oho mai gambinya zamir gu furborera ir gu koy buceido to du borga hawo sukanu na bay kamante ba kaina haifo he har bumbo da no kan gubar hawan di zambore bumbo no guzur borse <laughs> ai cara ban ti bore hinne nin din bon bumbo han foye ni ga hamo hawo gin zaka kai to kalmate irgogin hina kulte susu bai dalmar kulle gogon yumai e eh, nimmo nyuma ya hinna wasa. har bobu gon kan himgabar wai borse alwati kulu sangale mu kai ne wal mo kor gabiyan haddi ni gaba ko nyuma ni gille mu kai ni sombu ni ma dumbi hinka ni mu dumbar fadin sombu ni ma morgun din kor gabu ni min fatai din ga ham lokolokai kul zirin da kalambori nan batu minti fo koi hinka ganim ko gnyuma to da ir koyarra ni daga ham hawa ban sika kursi wadda banda nimin kwayin yuman tadan nimin turara hauka na sai ni ga hamo ga nin bumbu ni gama ni ga kani aho me din ga hamo hawo kani binda ni di zankam yanda ma ba ka sene dinga ido les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, encore moins de 10 minutes à passer ensemble dans cette émission Le Niger sur Kalango Fata. Est-ce qu'on va pas écouter encore euh, une chanson, une petite chanson Bien sûr, Vas-y, propose-nous un truc. <laughs> Eh ben, je pense qu'on va écouter euh, Djorodi avec le titre Feroni.

Voilà, cher auditeur, euh, Ferroni, hein, c'était là euh, la chanson, bien évidemment, du groupe Djorodi. Euh, au plaisir de tous ceux qui aiment hein, les sentimentalistes qui sont escotés actuellement dans cette émission. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu, c'est aussi la culture linguistique et aujourd'hui, on va découvrir le mot concorde en langue Hausa et en langue française, bien sûr. C'est avec notre collègue Asumana China. Bonjour Asuman. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Sina. Alors Fanta, j'espère que tu sais pourquoi la journée d'hier a été fériée au Niger. Mais en tout cas, je compte le savoir avec... Euh, avoir plus d'informations, bien sûr, avec... Voilà, donc hier 24 avril 2023, le Niger a célébré la, 20e, la 28e édition de la journée nationale de la Concorde. Donc c'est une journée qui marque euh, la signature des accords de paix entre les autorités nigériennes de l'époque et la rébellion armée en 1995. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons donc euh, la définition du mot concorde. Alors, euh, concorde veut dire euh, union de cœur et de volonté qui produit la paix, donc une bonne entente. Et les synonymes des mots concorde, c'est-à-dire les mots qui ont le même sens que lui, sont par exemple accord, entente, fraternité. Mm. Il y a aussi des mots qui ont le sens contraire euh, qui concordent. Là, on peut citer discorde, dissension et division. Et vous avez aussi prévu d'expliquer ces mots en langue Hausa. Oui, en langue Hausa, je ne serai pas très long. Mm Concorde donc en Hausa, ana nuhin kamar mutane su kasance cikin niyya ɗaya a azuka domin haɗin kai da kuma zaman lahiya cikin kasa A riƙa ɗan uwanci ya kasance kullum Allah Merci infiniment, China. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Jarman ou en Tamashek, euh, et bien évidemment aussi en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Bien sûr, c'est nos car c'est toujours un réel plaisir d'avoir un retour sur nos productions. Ils sont nombreux les auditeurs qui nous ont laissé leur message. On les écoute. wa ina eh, studio kanangu muke sauraron su kuma muke amfana da shirye-shiryen da suke yi kuma ina musu barka da sallah ina fata allah mai ta mana da su da dukkanin masu sauraron studio kalangu na wannan jiha da na nijar ga baki daya ina fata allah mai ta mana kuma allah samu yi a daidai assalamu alaikum jama'a ni suna na fati ina sai da abinci a nan bakin asibiti kuma ina sauraron studio kalangu ina so yi ma kowa da kowa barka da sallah ina fatan kowa ya yi sallah lafiya ina saurari studio kalangu musamman mu masu harkar kasuwanci saboda tana waye mu al'umma kai tana waye muna kai ina gaida yayata narba mai sai da abinci ina gaida inta shaf makwabcin mu yana nan shi ma aikin garaji yake yi kuma muna fatan studio kalangu ta ci gaba da yada shirye-shiryenta ko ina da ko ina musamman a nan kwanu ba ma kwanu ba har garuruwa waɗanda a cikin nishar gaba ɗaya musamman irin sun ya mai maraɗi zandar muna so ko ina saboda gaskiya mu 'yan sana'a tana waye muna kai kware game da haka nan mun ko ina da ko ina a cikin garin Nijar a jita. Ni sunana Siya Biya Maradi wanda aka sani mai lakabin suna kuma Siya Haris. Lalle ina cikin masu sibirkin wannan shiri da kuka yi na digital nan. kuma alhamdulillah wannan shiri yana ƙayatar da al'umma kuma yana amfanuwa da shi sosai kuma a madadin wannan shiri da muka saurare kuma duk wanda ke bibiye da wannan hilin to muna musu barka da sallah kuma na faɗin Nijar gaba ɗaya da wani da kewanta gaba ɗaya da fata Allah ta'ala ya karɓi aro don kuma Allah ta'ala ya samu dace cikin ita wannan sallah ta insha Allah. Sunana Maryama Inu Salabu, an sani na da Mari. Gaskiya labarin Studio Kalangu suna nishadantar da mu muna jin daɗin su saboda su barin ba a baya suna ba mu suna ba da maimanci sosai akan matasa. Muna gaisuwa da barka da sallah ga 'yan Studio Kalangu da nan Radio Tarmamuwa kuma ga 'yan uwa da amna arziki duka muna musu fatan alkhairi. alkhairi da fatan an yi sallah lafiya abu sufyan abdullahi cgm sai allah ina jin daɗi sosai sosai ina gaida mutane a arziki studio kalangu ina gaida su ina muku barka da sallah fanta Recevons encore une fois de plus euh, Nefissa Sirfo pour connaître les titres de la grande édition du soir. oui, je vous retrouve pour les titres du journal de ce soir. Nos, éditions donc euh, d'information de 17h parleront de la visite du ministre de l'Intérieur à Asmaka, une ville à la frontière algérienne qui enregistre de plus en plus de migrants ouest-africains refoulés de l'Algérie. Ensuite, nous irons à Gaïa où un incivisme fiscal gagne du terrain ces dernières années selon la municipalité. Enfin, la dépravation des mœurs de la région de Maradi. Le magazine de ce soir en parlera. Restez à l'écoute. Merci. beaucoup Nafisa. C'est ainsi que prend fin le Niger sur Kalangou de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous retrouvera demain pour un nouveau numéro. À la technique, c'était Isaac Lowoli et Adam Adoaki à l'édition. Bye bye.